Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Quel engrais pour quel sol est pour quelle culture au Niger au Niger, l'agriculture pluviale est basée sur le sol sableux. Ce dernier se caractérise par sa faible teneur en éléments nutritifs. Malgré ses contraintes liées à l'agriculture, au Niger, 80% de la population ont l'agriculture comme activité principale. Le manque de moyens financiers empêche les producteurs de payer les engrais minéraux. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une technologie à faible coût pouvant améliorer la fertilité du sol et le rendement des cultures. Ce paragraphe est tiré dans un article publié par l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des explications et des analyses les différents types d'engrais et des sols adaptés à l'agriculture au Niger, mais aussi obtenir des recommandations pour accroître le rendement agricole. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Issa Zibo, directeur de l'inspection et du contrôle de la qualité des engrais au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Bonsoir Issa. Bonsoir. Zaka Yaye, agronome au réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Bonsoir Yaye. Bonsoir. Et Marou Amadou Oubello, membre de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, un copagène. Bonsoir Bello. Bonsoir. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, monsieur le directeur Issa Les éléments fertilisants sont extrêmement nombreux ici au Niger. Que peut-on savoir au sujet des différents types d'engrais qu'on rencontre dans le pays Merci. Tout d'abord, euh, avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire donc euh, une brève présentation des différents types de sols qui sont donc euh, sur notre territoire. Allez-y. Et d'abord, nous avons les sols euh, minéraux bruts. Donc, ce sont des sols qu'on trouve donc dans le désert. Et ces sols-là ne sont pas appropriés donc euh, à l'agriculture. Et en deuxième position, nous avons les sols peu évolués qu'on rencontre un peu partout dans, sur notre territoire donc, euh, ce sont des, sols qui présentent donc des textures euh, hétérogènes. Ils se rencontrent euh, partout, donc sur l'étendue du territoire. Ils sont très variables et très peu fertiles, pauvres en matière organique. Nous avons des sols bruns subarides, donc ce sont des sols qui sont en tout cas peu évolués, pauvres en argile et qui se trouvent surtout au niveau du lac Tchad. En plus, nous avons donc des sols euh, et tropicaux. Donc ce sont ces sols-là qu'on rencontre un peu partout au Niger, sur lesquels donc euh, est pratiquée en grande partie donc euh, les cultures de mille. On les reconnaît facilement donc par leur couleur rouge. En plus, nous avons des sols hydromorphes, donc c'est-à-dire qui ont un excès d'eau. Donc ces sols-là, on les rencontre surtout donc, euh, dans le fleuve du Niger. Et dans les bas-fonds Dans les bas-fonds, euh, au niveau de la Koumadougou. Le dernier groupe, ce sont les vertisols, qu'on rencontre aussi au niveau donc, euh, du lac de l'Iraser. On les reconnaît pas leur, leur grande fente. C'est-à-dire que quand l'eau se retire là, donc ça fait des fentes. Ce sont donc ces six grands types là de sols qu'on rencontre au Niger. Ces six grands groupes de sol-là, est-ce que c'est une richesse pour un pays comme le Niger Mais bien sûr, c'est une richesse parce que plus on a différents types de sols, plus on a la possibilité de faire différents types de cultures et différentes euh, variétés, puisque les variétés aussi peuvent être influencées par rapport donc au type de sol. Donc c'est vraiment une grande euh, richesse d'avoir plusieurs types de sols. Alors, à présent, que peut-on euh, savoir au sujet euh, des différents types d'engrais qu'on rencontre au Niger À la faveur donc de, la réforme du secteur de, l'engrais. engrais. Donc, le secteur a été libéralisé. Avant, c'était l'État qui avait le monopole. Bon, les types d'engrais n'étaient pas aussi variés. Pour venir donc même au, au type d'engrais qui rentre au Niger, on peut classer les engrais en deux grands groupes. Il y a les engrais organiques et les engrais minéraux les engrais organiques, vous avez par exemple le compost. ça, c'est un engrais organique. Maintenant, les engrais minéraux. Les engrais minéraux, ce sont les engrais qui sont produits euh, ailleurs. voilà, donc ce sont les engrais chimiques et produits donc par l'industrie chimique. Donc, euh, à la faveur de la réforme du secteur des engrais qui a libéralisé donc le secteur, on a plusieurs types d'engrais qui rentrent sur le territoire du Niger les plus rencontrés, c'est le NPK 15-15-15 et l'URE, le DAP, le 20 10 10 Donc là, ce sont des formules d'engrais. Mais ces formules-là ont été établies ailleurs en fonction donc, des différents types de sols. Et l'engrais le plus utilisé, le 15-15-15, c'est un engrais qui a été fabriqué pour que ça soit universel. C'est-à-dire que partout, on peut utiliser donc euh, ce type euh, d'engrais. Mais un engrais, quand il est utilisé à la longue, ça a des conséquences et négatives. Sur l'environnement Sur d'abord le sol, parce que ça peut rendre le sol acide. Et quand le sol est acide, ça contribue donc euh, à la baisse des rendements. Donc c'est pourquoi, à chaque fois, quand on veut utiliser des engrais, la voie idéale, c'est d'abord de connaître le type de sol. Quand on connaît le type de sol, il faut connaître le niveau de fertilité du sol il faut connaître aussi la, culture. Quels sont les besoins donc, de la culture Donc c'est en fonction de ça, normalement, qu'on choisit donc euh, le type d'engrais. Alors est-ce que les producteurs et autres agriculteurs euh, nigériens ont accès à vos services pour euh, les appuis conseils Oui, bien sûr. Et au niveau donc des, régions, nous avons donc les directions régionales d'agriculture, les directions départementales d'agriculture, et au niveau communal, nous avons donc euh, les chefs du district agricole. Ce sont ceux-là donc euh, qui encadrent les producteurs et par rapport euh, au choix de l'engrais et par rapport à la qualité. Donc nous participons vivement avec les autres partenaires, les ONG, les projets, les chambres d'agriculture, à la sensibilisation des producteurs par rapport au choix des engrais. Monsieur le directeur, est-ce qu'avec euh, la porosité des frontières euh, nigériennes, euh, que des engrais non homologués se rencontrent sur le territoire nigérien Oui, à la faveur de la réforme du secteur des engrais, il y a donc des services de contrôle qui ont été donc créés, notamment la direction de contrôle et de l'inspection de la qualité des engrais. Donc il y a des textes réglementaires et qui ont été donc euh, pris, qui canalisent en tout cas la commercialisation des engrais. Parce que ce n'est pas n'importe comment qu'on peut commercialiser l'engrais. Il faut avoir son autorisation. Les autorisations sont de, de trois types. Il y a l'autorisation d'importation des engrais, il y a l'autorisation de vente en gros et de vente en détail. Celui qui veut donc euh, commercialiser les engrais, il faut qu'il ait son autorisation. Sinon, il va contre euh, la loi. Maintenant, au niveau donc des frontières, et les frontières sont, comme vous l'avez dit, très poreuses. Donc le contrôle n'est pas facile parce que si vous prenez la frontière euh, avec notre voisin du, du sud, plus de 1500 km, n'est pas facile euh, à contrôler. Mais comme je le disais, avec la direction de l'inspection de contrôle de, de, la qualité des engrais, il y a des cadres qui ont été formés donc pour euh, jouer le rôle de contrôle et de la qualité des engrais. Et quand vous, vous commandez votre engrais, quand ça vient au niveau de la frontière, on fait des prélèvements d'échantillons, et trois échantillons. On donne un échantillon aux propriétaires de l'engrais, et au niveau de la direction, nous, on garde un échantillon, et on envoie un échantillon au laboratoire de l'INRAN pour l'analyse chimique. Le contrôle se fait donc euh, à deux niveaux. Il y a le contrôle physique, donc nous, on contrôle le poids, on contrôle ce que vous avez déclaré sur papier. Et puisque si vous avez le sac d'engrais, il y a des informations qu'on doit avoir nécessairement sur le sac d'engrais. Il y a cinq types d'informations. Il y a d'abord la formule. Par exemple, je parlais par exemple du 15-15-15. Donc ça, c'est la formule. Il y a le, poids. Normalement, c'est 50 kg. Chaque, euh, chaque euh, sac de 50 kg, si vous dites que c'est 50 kg, si on pèse, si ça ne fait pas 50 kg, je pense que vous êtes en infraction. Donc, bon, il y a des marges de tolérance. C'est 0,5 euh, kg. Par exemple, vous pouvez avoir 49,5 kg, ça peut passer. Ça peut aussi dépasser. Voilà, ça peut aussi dépasser. Si ça dépasse, c'est bon. Mais on ne veut pas que ça soit inférieur. Et en plus donc du poids, il y a les sources. Les sources parce que les engrais minéraux ont différentes sources. Il faut les, les sources de provenance n'ont pas les sources de prévenance L'azote, par exemple, c'est un fertilisant. Donc l'azote, ça peut être de l'urée, de l'ammoniac. Vous dites que c'est l'ammoniac. Si c'est le, le phosphore, donc vous dites que c'est du TSP, par exemple. Donc c'est ça la source. Maintenant, en plus de la source, il y a la teneur en, en éléments fertilisants. Si c'est de l'azote, vous dites que dans l'engrais là, l'azote fait tel pourcentage. En plus, il y a l'adresse du fabricant ou bien de l'importateur qui, doivent être mentionnées sur le sac. Donc ces informations-là doivent être déclarées sur l'honneur. Toutes ces informations sont euh, capitales Très capitales. Puisque si déjà vous prenez le sac qui a une de ces informations-là qui manque, donc euh, l'engrais peut être douteux. Donc c'est des éléments qui nous permettent de faire donc le contrôle de qualité. Et il y a des éléments, bon, c'est trop technique, la ségrégation, l'intégrité, tout ça, donc ça nous permet donc de faire le contrôle physique. En plus, le contrôle physique, je disais qu'on on envoie un échantillon au niveau de laboratoire général pour faire l'analyse chimique. Si par exemple vous dites que votre engrais 15-15-15, ça veut dire qu'il y a 15% d'azote 15% de phosphore, 15% de potassium. Si on trouve que ce n'est pas ça, donc là, vous avez fait une fausse déclaration et votre engrais sera donc euh, refoulé. Est-ce qu'il y a des sanctions ou des amendes, par exemple, euh, pour les contrevenants oui, Bien sûr, il y a une loi qui a été votée depuis 2020 par rapport donc euh, aux infractions. Et donc, il y a des pénalités. Mais si votre engrais n'est pas bon, on vous dit carrément qu'il n'est pas bon, on ne peut pas le mettre sur le marché. Puisque si on fait l'analyse si l'analyse euh, physique, si c'est bon, si l'analyse chimique, est, si c'est bon aussi, on vous délivre une attestation de vente de 2000 sur le marché. Là, vous pouvez donc, euh, vous êtes autorisé à vendre l'engrais donc au producteurs. Mais si c'est pas bon, carrément, on rejette votre engrais. Mais le territoire nigérien est très grand. Nous n'avons pas assez beaucoup d'inspecteurs. Je pense que jusqu'à cette date-là, on n'a que 48 inspecteurs qui ont été formés, assermentés, équipés. Donc, euh, vous voyez, avec euh, la grandeur, euh, les frontières, on ne peut pas tout contrôler. Il y a bien sûr les gens qui essaient de tricher, mais on essaie d'attirer leur attention, puisqu'il y a la loi qui est là. Donc, si on vous prend, on peut vous sanctionner. Merci beaucoup, monsieur le directeur Issa Gibor. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'inspection et contrôle de la qualité des engrais au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Morou Amadou Bello, la fertilisation, c'est l'action qui consiste à effectuer des apports d'engrais organiques ou minéraux nécessaires au bon développement des végétaux. La fertilisation peut donc être réalisée sous forme d'amendement quelle est votre opinion au sujet de l'utilisation des fertilisants tels que les engrais Merci beaucoup. Euh, nous disons merci aux auditeurs du studio Kalangou. Nous disons merci aussi euh, à l'animateur de, ce forum et à nos amis euh, du RECA et du ministère. du ministère de l'Agriculture. Nous, au niveau de la société civile active sur ces questions agricoles et pastorales, l'utilisation de produits chimiques, des synthèses, de tout genre est déconseillée. Déconseillée parce que au niveau de, des mouvements sociaux ouest-africains, nous avons mené et nous sommes en train de mener des campagnes pour euh, une transition agroécologique dans la sous-région ouest-africaine parce que nous estimons que nos producteurs sont à un stade où il leur est très difficile d'accéder à ces engrais en plus de ce que le directeur venait de dire euh, dans une de ses conclusions, du fait que euh, l'utilisation des engrais ici de synthèse chimique appauvrisse le sol. Et il y a d'autres conséquences de genre social, de genre économique et sanitaire qui sont euh, avérées. En plus du coût de l'engrais. En plus du coût de l'engrais. Et il y a aussi la maîtrise de la technologie certes, nous avons des encadreurs au niveau local qui peuvent aider les, usagers, les producteurs à comment utiliser les, engrais. Mais aujourd'hui, eh, la question, sans nul doute, euh, difficile. Difficile parce que d'abord, au niveau de l'encadrement, nous n'avons pas de cadres suffisants sur l'ensemble du territoire. Nos cadres n'ont pas les moyens de leur euh, politique sur le terrain. Troisièmement, c'est ce que le directeur venait d'évoquer, c'est le libéralisme économique. Et en plus, en quatrième position, nous pouvons citer la porosité de nos frontières. Parce que, tel qu'il venait de le décrire, l'État s'est préparé à la libéralisation du secteur des engrais en mettant des institutions telles que la direction qu'il dirige et en mettant des organes de base tels que le contrôle, le comité de contrôle au niveau des frontières mais l'engrais rentre par d'autres points. Par d'autres canaux. Par d'autres canaux. Et le contrôle échappe à l'État et aux agents de l'État. Et ce que nous pensons, c'est que au niveau terrain, il va falloir avoir aussi des brigades, des brigades de sanctions, de recherches d'abord et de sanctions, à l'instar d'autres institutions telles que la douane, qui, même si quelqu'un n'est pas passé par la frontière, la douane a la possibilité de ressaisir eh, les objets frauduleusement entrés sur notre territoire et vendus dans nos différents marchés. Donc pour nous, notre opinion, c'est d'abord d'aider au niveau de l'État à ce que l'agroécologie soit adoptée comme une alternative qui va être euh, conjointement liée à la politique agricole actuelle et de mobiliser aussi le paysan pour qu'il comprenne qu'il y a d'autres alternatives aux engrais chimiques de synthèse. Mais ça, ça doit se faire en concertation entre les, les acteurs de décision que constitue le ministère et puis les acteurs de la société civile, les organisations de producteurs, pour que nous puissions offrir une alternative aux paysans nigériens. Marou Amadou Bello, la coalition pour euh, la protection du patrimoine génétique africain copagène est un mouvement social et citoyen ouest-africain, vous l'avez rappelé, qui œuvre depuis plus de 15 ans à préserver les ressources biologiques du continent. Les producteurs nigériens ou bien les agriculteurs nigériens ont-ils accès facilement ou bien ont-ils une connaissance nécessaire pour euh, la pratique de l'agroécologie oui, nous pouvons dire que notre agriculture a des pratiques de point de vue même traditionnel qui s'apparentent euh, aux pratiques euh, agroécologiques. À travers l'utilisation des fumures organiques, par exemple À travers euh, l'utilisation de, de, compost, les différentes formations et puis même notre tradition par laquelle nous fertilisons le sol, euh, même si ces pratiques ne sont pas complètement agroécologiques. Et ces pratiques ont l'avantage au niveau des paysans, d'abord d'être connues, d'être maîtrisées et puis d'être accessibles à moindre coût. Parce que bon, les gens toujours, aiment toujours le rappeler. Auparavant, c'était des contrats de fumure entre les agriculteurs et les éleveurs. Et les éleveurs. Et en ce moment, c'est vrai que nous avions un cheptel beaucoup plus abondant et nous, avons, nous avions des surfaces cultivables assez, assez réduites. Et cela, nous avions aussi la concorde sociale qui permettait aux agriculteurs et aux éleveurs de faire ce genre de, contrats sociaux pour fertiliser les sols. Donc nous pouvons dire que, de point de vue pratique, euh, au niveau de l'utilisation de, de, la fumure organique, des engrais organiques et même des semences traditionnelles, euh, les agriculteurs nigériens sont de, de grands pratiquants. Bello, euh, est votre, quelles sont les actions que vous menez pour la pratique de l'agroécologie Quelles sont les actions euh, que vous menez concrètement sur le terrain Les actions que nous menons sont de ce genre. vous n'êtes pas sans savoir que même ici, dans votre studio, nous avons l'habitude d'animer des des, émissions, de, ce genre. Et puis, sur le terrain, on arrive à former des agriculteurs en, production de compost sur le terrain, dans les jardins, en milieu réel. Nous avions l'habitude de, euh, de faire des propositions de règlements et de lois au niveau des différents pays et pour que l'agroécologie soit adoptée comme euh, une des pratiques qui peuvent aider nos États du Sahel surtout à atteindre la souveraineté alimentaire. Actuellement, nous sommes dans une campagne qui nous amène à aider ou à proposer à un certain nombre de ministères euh, de faire, de développer des stratégies en agroécologie pour aider nos États à atteindre la sécurité alimentaire et surtout la souveraineté alimentaire de ses consommateurs. Marou Amadou Bello, la performance du secteur agricole est très instable du fait de, la, de sa forte exposition au changement climatique. Euh, nous le vivons euh, au quotidien. Quel comportement face au changement climatique dans les pays du Sahel surtout comme euh, je le disais tantôt, le meilleur comportement va découler d'abord des politiques agricoles. Il faut que les politiques agricoles s'inspirent des pratiques endogènes, que nous puissions légiférer et de façon à ce que tous les moyens de production soient accessibles aux producteurs et que des études sérieuses soient menées et pour que euh, la réglementation en matière agricole soit assez efficace. Parce que bon, quand on parle de aléas, on parle de quelque chose euh, qui échappent au contrôle humain. Et si quelque chose échappe au contrôle humain, quelle que soit la bonne foi ou la qualité des techniciens, des, agents, hein, je pense que si les aléas échappent, eh bien, la solution, c'est l'anticipation. L'anticipation au, niveau des producteurs pour qu'on puisse savoir sur quel genre de sol euh, on fait pousser, pour parler terre à terre, on fait pousser nos semences, hein, comment et faire face en cas d'inondation ou en cas de, de, quel genre de semences il faut utiliser, quel genre de fertilisant faut-il utiliser. Donc, il va falloir avoir un package de préparation technique d'anticipation Hein, pour que le paysan ne puisse pas tomber chaque fois ah, dans le, grand dénouement et euh, que euh, la solution soit à la sauvette. Merci beaucoup, Mourou Amadou Bello. Euh, je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile active pour les questions de l'agriculture et de l'élevage. Zakayaye, vous êtes agronome chargé euh, du conseil agricole au réseau national des chambres d'agriculture euh, du Niger, RECA. Les engrais les plus couramment utilisés en agriculture sont les engrais azotés. L'azote qui est un élément majeur de la nutrition des plantes. Les agriculteurs et les autres producteurs nigériens ont-ils accès facilement à l'engrais Merci Mokhtar pour la question. Par rapport à cette question, Aujourd'hui, je pense que la disponibilité de l'engrais, pour parler d'accessibilité, parce que l'accessibilité, ça sous-entend euh, d'abord la disponibilité de l'engrais, il y a aussi les questions de coût. Aujourd'hui, par rapport aux questions d'accessibilité ou du moins de disponibilité de, l'engrais, je pense que je ne peux pas dire que les producteurs ont facilement accès, à ces, engrais. À un certain moment, c'était la Caïma qui, avait le monopole de commercialisation de l'engrais. Et je pense que si on est allé vers la réforme, c'est pour libéraliser le, secteur, et que eh, ces privés puissent rendre beaucoup plus disponible eh, cet engrais-là. Et quand je dis privé, ce n'est pas peut-être à Niamey, c'est pour que le producteur qui soit dans le village le plus éloigné, quand même, puisse être accédé à ce engrais-là en termes de disponibilité. Et je pense que ça, pour le moment, c'est un défi. Je parle sous le contrôle du, du directeur. Euh, du directeur de du contrôle du euh, directeur de contrôle d'inspection de contrôle de qualité des engrais je pense que ça c'est ça c'est un défi maintenant les questions d'accessibilité on dit accessibilité aussi ça sous-entend aussi le niveau du revenu du producteur et je pense que même là je ne peux pas parler d'accessibilité parce que quoi qu'on dise, au Niger, on est un pays qui utilise moins d'engrais par rapport aux autres pays. En un seul mois, les statistiques étaient à, je crois, 8, 8 kg à l'hectare, 3 kg à l'hectare. Et je pense que ça, en termes d'utilisation d'engrais, c'est très très faible. Et rien que cette quantité, en réalité, ça prouve qu'on n'a pas accès. Parce que même si on a l'argent, si les engrais ne sont pas disponibles, en réalité, on n'a pas. Et je pense que le problème majeur, c'est surtout d'abord la disponibilité, surtout en termes de qualité. Parce qu'il ne s'agit pas de rendre disponible. Et je pense que si la dis a été créée dans le cadre de la réforme, c'est surtout beaucoup plus pour les questions de, qualité. Et là, cet aspect, cet aspect et je pense qu'en termes d'accessibilité, je dirais que les producteurs n'ont pas, n'ont pas accès, accès facilement. Zaké Yaye, euh, vous êtes agronome, vous conseillez aussi les agriculteurs avec les fortes précipitations mm. enregistrées cette année sur l'ensemble du pays. Mm. Euh, beaucoup de champs, euh, de jardins ont été carrément inondés. Quelle alternative pour ces agriculteurs qui ont presque tout perdu Pour moi, l'alternative, c'est, c'est d'abord des questions politiques très fortes. Parce que quand on, on dit ils ont perdu, mais maintenant, L'alternative, pour moi, il faut peut-être aller à une diversification de culture. parce que la conséquence actuellement, c'est principalement sur les cultures pluviales. Alors qu'on peut aussi aller vers les cultures irriguées. Cette eau-là, pour moi, l'eau en tant que telle, ce n'est pas un problème, il faut savoir la baloser. Mais maintenant, la question, l'eau a fait des dégâts en culture pluviale, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ce surplus d'eau pour moi, c'est ça la question principale. Puisque les Nigériens sont en train de regarder l'eau euh, couler, passer. Je prends juste l'exemple du, l'exemple du Burkina. Le Burkina n'a pas principalement de, grands cours d'eau. Mais tout ce qu'ils font, c'est de l'eau stockée. Pour moi, l'eau, on peut la stocker et véritablement peut-être l'utiliser, aller vers une diversification de cultures telles que je l'ai dit, aller peut-être à, des cultures irriguées, par exemple le riz. Pourquoi ne même pas essayer, peut-être que c'est utopique, ne même pas essayer avec même peut-être une culture irriguée de mille, je ne sais pas. On a en tout cas des céréales quand même. Les Yara, ils ont expérimenté Effectivement, on a des céréales, en saison. Effectivement, on a des céréales vivrières aujourd'hui qui, à travers ce type qu'on peut... Je prends par exemple le maïs, le sorgho qui donne très bien en irrigué. On peut peut-être récupérer en tout cas Et même le, euh, manque, effectivement, le niébé en décru qui se passe. On peut en tout cas récupérer le manque à gagner en culture pluviale en valorisant en tout cas l'excès d'eau. Et l'eau, je pense que le défi, c'est de, de, savoir le, la récupérer et peut-être la stocker, comme je dis, le, le Et peut-être même pour le riz, ça permettra aussi, pour certaines zones, de l'introduire. Parce qu'aujourd'hui, le riz n'est pas que euh, sur aménagement. il y a beaucoup de riz qui sont... Il y a beaucoup d'endroits où le riz est, est produit en hors aménagement. Je prends l'exemple, par exemple, de, de, de, la zone de, la région de Dosso, notamment Gaïa. Quand vous prenez Difa, vous allez trouver beaucoup de producteurs, en tout cas qui produisent du riz en hors aménagement. Et je pense que même si l'eau a, fait des dégâts, les bienfaits qu'on peut tirer à, partir de ce, surplus-là aussi, ça peut être aussi être énorme. Maintenant, par rapport à la première question, parce que vous avez parlé de surtout d'engrais azotés c'est la première question, je voudrais la rattraper. Mhm. Allez-y. Euh, effectivement, quand on voit même l'utilisation des engrais qu'on en fait, les gens n'utilisent que les engrais qui sont disponibles. Le directeur l'a dit tout de suite. Les engrais les plus courants chez nous, c'est le 15-15, c'est l'urée, et dans une moindre mesure, peut-être le 20-10-10 et le DAP. Mais maintenant, l'utilisation qu'on en fait, c'est que souvent, on voit que par rapport à la connaissance des engrais, les gens utilisent d'autres engrais par, non seulement peut-être par ignorance, parce que quand vous voyez l'urée, c'est un engrais qu'on utilise de façon abusive. Ils le font parce que c'est le seul engrais qui est disponible. Et je pense que c'est là où aussi on devrait beaucoup plus travailler. D'abord, faire des formules d'engrais en fonction de nos cultures, les principales cultures qu'on a. Et tantôt, tout de suite, le directeur avait parlé des types de sols, euh, qu'on avait au Niger, dont principalement les sols ferrugineux tropicaux sur lesquels on, étudie et les sols hydromorphes, qu'on ait une idée de l'ensemble, euh, comment dirais-je, des zones agroécologiques, les différents types de sols et aller vers des formules vers ça. Et les types de cultures aussi qu'on a pour que quelque part aussi qu'on donne le choix aux producteurs. Parce que souvent, le choix n'est pas donné aux producteurs. Et là, je pense que c'est un problème. Les questions liées aussi aux, questions agroécologiques on est regardant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas produire sans qu'il y ait une fertilisation complémentaire en, engrais minéraux. Parce que tel que je l'ai dit, les engrais organiques de plus en plus coûtent plus cher. Et je pense que l'alternative, c'est d'aller vers peut-être une fertilisation raisonnée de la fumure minérale. Et là, ça peut peut-être répondre à ces questions d'agroécologie et même une valorisation aussi de ce qu'on a en termes de potentiel que les façades naturelles, qui de mon point de vue peuvent même rentrer dans le cadre de, l'agroécologie, qui ne nuisent pas principalement et dont nos sols sont principalement carencés. Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. On commence avec vous, monsieur le directeur Issa Djibo. Euh, faut-il ou pas promouvoir l'utilisation des engrais de l'agriculture au Niger et Merci, monsieur Mokhtar. Et avant de répondre à votre question, donc, J'aimerais juste apporter une petite correction. Allez-y. Par rapport aux engrais minéraux, je n'ai pas dit que les engrais minéraux approvisionnent le sol. J'ai dit à la longue, quand on utilise le même type d'engrais, donc ça peut provoquer l'acidification donc du sol et ça n'est pas bon donc pour les cultures. Euh, et il faut savoir aussi que un bon sol agricole donc moi, je vous dis la composition. Un bon sol agricole doit être constitué normalement de 25% d'eau, de 25% d'air, 45% de matière minérale et 5% de matière organique. Ça, c'est ce que la recherche a, prévu. voilà, a prévu. Maintenant, pour venir euh, à votre question, la promotion des engrais minéraux. Bien sûr, vu l'état actuel de nos sols et l'utilisation des engrais minéraux est plus que jamais nécessaire la matière organique seule, notamment le compost, ne peut pas suffire en tout cas à procurer donc aux producteurs des rendements ciblés, c'est-à-dire en tout cas des, rendements qui peuvent leur permettre non seulement de se nourrir, mais aussi de vendre et de faire autre chose. Donc euh, l'utilisation des engrais minéraux est très très nécessaire. Mais pour ça, comme l'a dit M. Zakei, il faut vraiment une utilisation raisonnée. Et ça, ça se fait à travers, par exemple, euh, l'établissement d'une carte de fertilité des sols. Et quand on va faire la carte de fertilité des sols, on peut connaître donc la nature euh, en éléments fertilisants de, de, chaque type de sol. Et on, peut connaître donc le niveau, le niveau donc de, de, de fertilité de chaque type de sol. Donc quand on a la carte de fertilité, on établit donc des formules, des formules d'engrais. Et les formules d'engrais on les fait aussi en fonction de chaque type de culture. Le, le mil n'a pas les mêmes besoins euh, que le maïs, ainsi de suite. Donc il faut faire vraiment utiliser donc euh, l'engrais en fonction de la nature du sol, du besoin donc de la voilà, je pense que c'est très très important et nous avons un programme dans ce sens-là au, niveau du ministère. Pour la grande irrigation qui a été euh, récemment la La grande irrigation, ça c'est autre chose. Je parle de la carte de fertilité des sols, puisque le ministère a l'ambition, avec euh, en tout cas la volonté politique, donc d'installer une usine de fabrication d'engrais. Voilà. Ça, je pense que c'est en, discussion. Je ne veux pas tout dire ici. C'est en discussion. Et dans, dans cette entreprise-là, la première des choses à faire, c'est l'établissement de la carte de fertilité des sols. pour pouvoir donc euh, arriver à arrêter des formules d'engrais qu'il faut faire en fonction du type de sol et du type de culture. On ne peut pas fabriquer des engrais comme ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que le 15-15 a été fait de telle sorte qu'il soit universel. Mais le 15-15, ça fait plus de 40 ans qu'on l'utilise. Donc ça vraiment contribue plutôt à à chuter donc les rendements. Donc il y a ce programme-là et il est en voie. Et je pense que en tout cas les années à venir, en tout cas le Niger aura en tout cas les, les engrais qu'il faut hein, pour le type de sol qu'il faut et pour les cultures qu'il faut. Donc euh, la promotion des, des, engrais minéraux est plus que jamais nécessaire. Mais il faut aussi faire aussi la promotion des engrais organiques voilà, parce que le sol, j'ai dit la composition du sol tout à l'heure, il faut des engrais organiques pour en tout cas la structure. Voilà. Et pour, une bonne texture donc, euh, du sol, euh, une bonne, euh, un bon rassemblement des différents éléments donc, du sol, il faut nécessairement de la matière organique donc, qui va permettre cette bonne structure-là. Merci beaucoup, monsieur le directeur euh, Issa Zibo. Amadou Bello, vous êtes euh, aussi euh, le chargé à la communication et plaidoyer à l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes. À l'instar des autres pays du Sahel, le Niger est aussi un pays d'élevage par excellence. que faire pour une meilleure production et une utilisation rationnelle du pâturage et du fourrage au profit du cheptel nigérien Rapidement. Merci beaucoup. Bon, je pense que au niveau de, du pâturage, dès lors qu'il a été, il est abondant, il peut être abondant cette année, eu égard à la forte, aux fortes euh, précipitations enregistrées. Mais euh, comme toute année, comme toute fin d'année, c'est euh, la rationalisation de la gestion hein, et la facilitation de, de l'accès et qui vont constituer les prochaines problématiques auxquelles il faut faire face. D'abord, euh, au niveau des éleveurs eux-mêmes, il va falloir qu'il y ait une préparation anticipative pour que ce pâturage soit protégé, surtout des grands incendies que nous avons connus et que nous avons l'habitude de connaître. Et surtout... L'effet de, de brousse. L'effet de brousse, euh, il va falloir le préparer en anticipation. Et en plus de ça, euh, l'accès aux résidus de culture qui va constituer quand même, euh, euh, le, en plus du naturel ou du public, qui va constituer la seconde partie de la disponibilité. Et ça aussi, il faut beaucoup le réglementer, il faut beaucoup le suivre, au rythme de, de la fin de la saison de pluie et au rythme de fixation généralement de, de date de libération. Parce que c'est surtout à ce niveau qu'il y a des problèmes. Parce que c'est bon, les techniciens qui se réunissent euh, plus sur certaines organisations pastorales telles que euh, la nôtre, les gens se réunissent en commission pour fixer par région. Le gouverneur prend un arrêté pour dire que on va libérer les champs à telle date. Alors que la descente des animaux est liée à la disponibilité de l'eau dans la zone pastorale. Et donc, s'il n'y a pas d'eau dans la zone pastorale, la descente des animaux, elle est inéluctable les animaux vont descendre vers le sud dans la zone agricole. Donc la réglementation s'arrête jusque l'arrêté dit telle date, fin mai. Bon, en fin mai ou en début avril, il n'y a rien au nord. Donc avant cette date, forcément les animaux vont descendre. Donc il va falloir que euh, qu'on puisse réaménager et les différents arrêtés au niveau des gouverneurs pour prévoir, prendre en compte, je suis d'accord et j'accepte, de prendre en compte le, euh, la fin de la saison pour les agriculteurs, mais aussi de prendre en compte le tarissement hein, de la disponibilité en eau dans la zone pastorale. Alors, Moro Amadou Bello, que faire pour éviter ou minimiser les conflits entre agriculteurs et éleveurs, par exemple Pour minimiser ce conflit, c'est d'abord de les circonscrire à leur juste valeur. Conflit agriculteur et agriculteur est égal à conflit agriculteur et agriculteur. Il n'est pas au-delà de ça il n'est pas ethnique, il n'est pas régional. D'abord, c'est la circonscription. Il n'est pas historique. Ce n'est pas un règlement de compte de conflit historique. Donc, c'est de le construire à sa juste valeur. Deuxièmement, c'est de le traiter sans sentiment. C'est-à-dire que euh, lorsque l'agriculteur ou l'éleveur euh, il y a eu dégâts au, niveau d'un champ ou de, sur un animal, de les traiter conformément à la réglementation en vigueur au Niger sans parti pris, en utilisant des techniciens d'évaluation de l'agriculture et de l'élevage qui doivent être honnêtes dans leur évaluation. Merci beaucoup. sans parti pris. Merci beaucoup. Et si la loi est appliquée, il n'y aura pas de problème. Et la contribution des chefs traditionnels, elle aussi, il faut qu'on les mette en, contribution. Et elles aussi doivent être des, prendre des positions impartiales. Merci Dans l'intérêt général. Merci, merci beaucoup, Moro Bello. Euh, à présent, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour euh, des meilleurs rendements agricoles au Niger et dans les autres pays du Sahel ça, c'est c'est vraiment une, une, grande question que, vous me... en tant qu'agronome, vous avez des recommandations à faire. C'est une grande question que vous me posez. Parce que quand on dit rendement des cultures, ça interpelle tout. D'abord, le, le décideur. La volonté politique. Le décideur, c'est de voir, en tout cas, en termes de stratégie ou de mise en œuvre des politiques, en tout cas, parce que je pense que le Niger a actuellement, si, je peux me permettre de dire, monsieur le directeur, est-ce que le Niger a une politique agricole véritable Parce qu'on s'est basé en sur les, les, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Mais je ne pense pas qu'on ait même une politique. Les troisièmes qui ont été abrogés. Une politique même agricole, en tout cas qui encadre le développement agricole de façon générale. Je ne pense pas. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est en tout cas c'est des petites stratégies, c'est des réformes qui sont là, mais il faut qu'on ait une politique agricole très claire. Et je pense que dans le contexte actuel, ça devrait être une priorité, en tout cas pour, pour, le, pour, notre, notre État. Et je pense que le ministère de, de, de, l'Agriculture, déjà, il est regardant. Et tout, je suis très content d'entendre le directeur dire qu'on est en train de voir comment faire installer une, usine de, fabrication d'engrais. Est-ce que, c'est un ouf de soulagement euh, ça, si ça, arrive à être réalisé Ça peut être un ouf de soulagement. Maintenant, les questions aussi liées à la recherche. Parce que augmentation de rendement, ça sous-entend tout. Il faut garantir d'abord le matériel végétal. Tout ce qui est variété. Les intrants. D'abord, d'abord le, le, matériel végétal. Quand j'ai dit matériel végétal, vous avez tout de suite parlé du contexte de changement climatique. Au-delà de tout, il faut en tout cas qu'on ait des matériaux, un matériel végétal qui s'adapte à notre réalité, à notre contexte du Niger. Parce que quand j'ai dit du point de vue productif, c'est par rapport, moi, à la situation, à du, Niger. Et là, la recherche aussi est interpellée. C'est de, en tout cas de mettre en œuvre l'ensemble des technologies qui puissent permettre, en tout cas, d'augmenter la productivité agricole. Quand j'ai dit productivité agricole, c'est y compris la production végétale et la production animal. Maintenant, même nous, en tant que, en tant que qu'acteurs ou dispositif de conseil, il faut que le conseil là soit assuré. Parce que là, et c'est ça aussi l'aspect renforcement de capacité et gestion des connaissances, ou du point de vue capitalisation, tout ce qui est bonne pratique en réalité, et l'aspect accompagnement, accompagnement des, politiques, j'ai dit accompagnement, l'accompagnement peut être non seulement technique, mais aussi financier pour qu'ils puissent accéder à des facteurs de production tels que les semences, les semences tels que les engrais. Et ça aussi, forcément, il faut, il faut, il faut qu'un travail soit, soit, soit, fait. Voilà un peu, un peu de façon ramassée. Merci beaucoup. mais il y en a beaucoup à dire, quelques, quelques, en tout cas, quelques recommandations que moi je, peux faire pour, pour améliorer un peu la, productivité. Merci beaucoup, Zakaï Monsieur le directeur, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Oui, merci. Juste euh, par rapport à la politique agricole, bon, c'est vrai, en 2016, euh, c'était l'initiative 3 donc, qui avait été transformée en politique agricole. Mais il n'y a pas longtemps, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. A... Bon, non, c'est pas lui qui a abrogé. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, voilà. Donc, euh, le ministre. Donc le ministre a mis en place donc un comité de réflexion par rapport donc à l'élaboration donc euh, d'un document de politique agricole. Donc le, le comité est, donc euh, actuellement là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir Issa Zibo, euh, directeur de l'inspection et contrôle de la qualité des engrais au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Zakaï Yaye, agronome, chercheur du Conseil agricole au réseau national des chambres d'agriculture du Niger, reka et Maru Amadou Bello, membre de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain copagène. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Abdelkader Chombiano. Merci, à bientôt.